Babacar Ndiaye, écrivain. Voilà, Monsieur Ndiaye, vous avez euh, sorti euh, C'est quoi C'est un roman C'est un essai C'est un roman qui s'appelle euh, Les euh, ombres de la cité ou La révolution de Guédado. Et pourquoi les ombres de la cité Tout n'est pas clair tout, tout, tout, tout, est presque clair. Tout est presque clair. Bon, en fait, euh, je crois que dans la vie, euh, si on est dans la cité, il est bon de temps en temps de euh, dire ce qui ne marche pas. Voilà, donc euh, dans la cité, on a remarqué qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais ce n'est pas seulement zone d'ombre comme vous, vous le pensez, mais les ombres, c'est les gens qui, dans la ville, dans la société, dans la cité, sont délaissés pour compte, des gens qui sont oubliés. C'est-à-dire que des gens qui sont là, mais qui n'apparaissent même pas dans la vie. Taïdi, je le dis un peu en Wolof, il y a deux semaines, il y a semaines, ça t'a rien fait ni pourtant tous les jours donc je parle de ces ombres là ces ombres ce sont les talibés ce sont les laissés pour compte les gens qui sont dans la cité et qui sont oubliés qui ne transparaissent pas. Euh, et ça dit c'est euh, nous parents qui ont échoué parce que l'éducation commence dans le cocon familial ensuite l'instruction c'est à l'école instruire ça n'a rien à voir avec éduquer et maintenant pour terminer il y a le programme chaque ministère de qui devrait peut-être accompagner ces hommes ou ces messieurs pour compte, comme vous l'avez dit Je dirais que tout le monde a échoué. D'abord euh, par l'éducation à la maison, l'éducation d'abord par la famille, avant que l'éducation ne sorte pour aller à l'école. Vous parlez d'instruction, pour moi l'instruction c'est l'éducation. À l'école ça a failli, cela veut dire, on, y viendra si vous voulez, on peut discuter. Donc cela veut dire aujourd'hui on est en train de décrire un fait, de décrier une réalité, c'est que l'éducation ou bien l'instruction à l'école a perdu sa valeur, a perdu de sa, notoriété. Donc les enseignants éduquent, moins, les enfants travaillent moins. Donc le ricochet c'est quoi tous ces enfants qu'on voit dans nos, dans nos quartiers, dans nos rues qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas bien éduqué à l'école. Ils n'ont pas bien travaillé à l'école. Les parents ne les ont pas poussés à bien travailler aussi à la maison. Donc ce sont ces enfants aujourd'hui qui sont là, qui n'ont pas réussi. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un kit, tout le monde a échoué. Et quelle est la responsabilité maintenant du gouvernement Parce que vous avez parlé de la maison, de l'école. Le, gouvernement, c'est nous. Euh, bon, les ministères de tutelle, pour être précis. Les bon, ministères de tutelle. Euh, écoutez, moi, j'ai dit, avant de parler de, euh, comment dire encore, le, le, gouvernement, il met en place un système. L'éducation, c'est un système. La famille, c'est un système. Maintenant, c'est à tout le monde de jouer son rôle. Si par exemple maintenant euh, euh, euh, l'éducation n'est pas adaptée, si les curricula ne sont pas acceptés, là en ce moment on attaque le gouvernement. Il y a un problème à ce niveau. Mais avant d'attaquer les gouvernements, moi je dis d'abord éduquons nos enfants à être bien, éduquons nos enfants à être responsables. C'est pourquoi je parle toujours des parents. Moi je parle des parents. Je vous donne un exemple. Un parent qui s'élève à 5h du matin, qui ne voit pas ses enfants, qui part en ville chercher sa pitanche, qui revient à 20h, 23h, qui n'a pas le temps de regarder ses enfants, est-ce qu'il peut les éduquer L'éducation, c'est la femme. Et aujourd'hui, on sait que les femmes sortent comme les hommes pour aller chercher aussi euh, euh, l'argent. C'est l'argent qui nous tue. Donc, moi, je le dis à tous les parents. Les parents qui ont tendance à aller chercher de l'argent, qui gagnent de l'argent et oublient l'éducation de leurs enfants, ils n'ont rien gagné. Ils ont tout perdu. Éduquons les enfants d'abord avant d'aller chercher de l'argent. Moi, je le dis et je le répète, c'est le credo, c'est la première des choses. Éduquons les enfants parce que c'est eux l'espoir de demain. C'est eux sur le socle sur lequel euh, la nation, l'État peut se, euh, comment dire encore, tenir euh, pour, pour, pour, pour s'élever. Maintenant, on revient à la politique. Un enfant qui a été bien éduqué, s'il devient un policier, il sera un bon policier. Un enfant qui n'a pas été bien éduqué, s'il est un policier, il sera un mauvais policier. Donc tout part de la base, c'est la maison la société, maintenant les gens se montrent. On aura de bons enseignants, de bons policiers, de bons gendarmes, on aura de bons politiciens, on aura de bons fonctionnaires. Quand ils sont bien éduqués, quand ils sont bien formés. Parlant de curricula, parlant de quantum horaire, mhm. c'est comme si chaque année, c'est des grèves répétitives, c'est des revendications légitimes ou pas légitimes. Mhm. Alors, on doit, on doit, des responsabilités. on doit taper sur qui en ce moment-là Les grèves répétitives, c'est qui C'est les enseignants, c'est les syndicats. Est-ce qu'ils ont raison c'est la question que je vous pose toujours. Moi, je ne suis pas, je suis pas dans, le gouvernement, mais je travaille comme un fou. Je travaille comme un fou. Là où je suis, je, ça dire que je m'investis. Mais ces gens ne s'investissent pas, qu'on se le dise. Maintenant, je ne euh, euh, je, prends pas, je prends pas, comment dire encore, euh, je ne veux pas me mettre à défendre l'État. Non. Avant d'attaquer l'État, il faut qu'on s'attaque nous-mêmes. Ce que les gens veulent des fois, c'est impossible à réaliser. Je le dis dans mon livre, le mieux c'est de négocier. Il ne faut pas aller se battre contre l'État, mais il faut négocier avec l'État. Et prendre, euh, comment dire encore, euh, comme le disait tout à l'heure M. Fall, donc euh, des petites gouttes. Ces petites gouttes feront de, grosses gouttes qui feront, comment dire encore, un verre d'eau. Mais les gens veulent tout avoir aujourd'hui et maintenant. des fois c'est compliqué. Et votre auteur, vous êtes auteur Vous vous basez sur quoi Sur l'inspiration quel est votre euh, fil conducteur euh, Comment vous avez fait pour pouvoir au moins... Je, je, regarde, je regarde ma société. Je suis quelqu'un, partout où je vais, je regarde. Parce que tout peut m'intéresser dans mes œuvres. Je suis quelqu'un qui vraiment, j'ai un sens euh, de la vision. Et je capte vraiment les scènes dans la vie. Tout ce que j'écris, même si ce n'est pas quelque chose que je regarde, c'est quelque chose que j'ai écouté avec quelqu'un. Tout me sert. Les gens qui parlent, ce que je vois. Donc je m'inspire comme cela. Tout fait pour m'inspirer dans la vie. Un accident. Je vous donne un exemple très simple. J'ai quitté Dakar pour venir euh, à Dakar, euh, pour venir à Thiès. J'ai pris le péage, donc euh, j'étais en déménagement. J'ai rabattu les sièges arrière de mon véhicule pour mettre mes bagages. J'arrive à Thiès, à l'entrée de Thiès, le policier qui me prend, il me dit aménagement intérieur. Je lui dis oui moi, dans mon fort intérieur, louer un taxi bagage à 50 000 francs, c'était plus cher que payer euh, une amende de 6 000 francs. Je lui dis oui, tout à fait. Il me dit donc, je t'atteste. Je lui dis oui. Il s'en va. 5 minutes après, je lui dis, mais toi, je t'attends. Il me dit, bindel. Je lui dis, mais bindel. Et ça, je l'ai écrit. Parce que c'est un fait. C'est notre société sénégalaise. En fait, je le dis toujours, nous sommes tous des Sénégalais. Le policier, c'est un Sénégalais. Le chauffeur, c'est un Sénégalais. Le journaliste, c'est un Sénégalais. Mais si les gens ne font pas correctement leur boulot, est-ce que c'est l'État Ce policier-là, qu'est-ce qu'il voulait M'a rançonné, que je lui donne de l'argent. J'ai refusé. Alors, beaucoup de Sénégalais refusent ce petit fait-là. Parce que c'est quoi Je vous explique. Il me donne une attestation, je dois aller au commissariat. Donc je me déplace, je vais au commissariat. Je cherche une attestation pour revenir maintenant, lui remettre l'attestation pour avoir mon permis. L'attestation va coûter 6 000 francs. Moi, je vais lui donner 1 000 francs pour pouvoir passer. Cette facilité que les Sénégalais ont, ce sont les Sénégalais qui l'ont créée. Aujourd'hui, quand tu vas dans les gares routières, quand vous allez dans les gares routières, vous avez des coxeurs. Ces coxeurs maintenant exigent un prix à donner pour le service qu'il faut. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. C'était un ancien chauffeur, un vieux chauffeur ou bien quelqu'un qui n'a pas de travail, qui vient tenir le carnet pour organiser le passage et on lui donnait quelque chose. Maintenant, on ne lui donne plus, il exige. C'est-à-dire, on crée des choses qui, après, nous rend la vie difficile. C'est nous qui créons toutes ces choses-là. Hein. Et ça, ce n'est pas le gouvernement, c'est nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, oui. donc, euh, selon vous, les responsabilités ne sont pas partagées. Le gouvernement, en tout cas. Non, euh, avant d'aller au gouvernement. Il avait à Grano. Voilà, bon, maintenant, Maintenant, ce qu'on peut faire. Ah. Maintenant, ce qu'on peut dire maintenant. Dans mon livre, j'ai dit euh, dans chaque quartier, il y avait une école. Les, les quartiers donc on grandit. Je, je prends l'exemple de Thiès que je connais. Avant, je connaissais les limites de Thiès, mais aujourd'hui, je ne connais pas les limites. Les limites ont explosé. Il y a eu beaucoup de nouveaux quartiers. Ces nouveaux quartiers n'ont pas eu d'école. Avant, les classes, c'était quoi 25 euh, élèves, euh, jusqu'à 50 élèves. On est passé au double flux. La responsabilité de l'État, c'était de continuer à accompagner, euh, construire des écoles, embaucher des enseignants. C'était ça la responsabilité de l'État. Et là, quand, je, quand c'est quelque chose qui est là devant moi, je tape sur l'État. C'est la faute de l'État parce qu'ils n'ont pas été prévenants, ils n'ont pas pensé à l'avenir, ils ont laissé faire. Donc là, je tape sur l'État. les embouteillages à Thiès, moi je dis que c'est les autorités. Ils ont laissé faire, ça dit dire qu'ils n'ont pas vu que Thiès grandissait jusqu'à arriver à ce Thiès qu'on connaît maintenant et avec des embouteillages. Avant, il était, il était inadmissible de voir embouteillage à l'entrée de Thiès euh, par euh, comment dire encore, la gare routière. Voilà, c'était impensable. Maintenant, maintenant c'est régulier par euh, euh de La Dior. Ce que les gens devaient faire, c'est au moment où ils construisaient le, péage, penser en même temps à agrandir les voies. Comme ça, quand le péage est fini, il n'y aura pas ce problème-là. Ils ont fini le péage, tout le monde commence à prendre le péage. Il y a des embouteillages, maintenant, en ce moment, qu'ils commencent à rectifier. Et en rectifiant, est-ce qu'ils ont pensé à faire des ponts Non. Donc, c'est des problèmes qui sont comme ça, que nous, on peut euh, euh, mettre sur la table. Et je dis, par exemple, l'État, par rapport à des projets comme cela, ils doivent tendre le micro aux chauffeurs. Chauffeurs de Ndiaganya, chauffeurs de Carapit, chauffeurs de taxi, parce qu'ils n'ont pas les mêmes manières de conduire. Ils n'ont pas aussi les mêmes manières de prendre leurs clients. Donc, prendre euh, le particulier, vous comme moi, nous tendre le micro pour qu'on leur dise ce qu'on veut. Mais souvent, ce sont des projets qui nous sont imposés et malheureusement qui sont mal faits. Euh, pour terminer, euh, mhm. vous avez un personnage principal ou vous avez plusieurs personnages j'ai pas lu le livre, malheureusement. Si il y a, le livre, je pourrais peut-être un peu plonger dans. Il y a, un personnage principal. vous, avez un caméraman qui me remet toujours à l'ordre. Euh, revient reviens, dans l'axe, revient dans l'axe. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le droit, c'est ça l'ordre. Et ça, on doit respecter. Je ne peux pas refuser. Si je refuse, je suis, hors, hors champ. Ok. Donc il y a un personnage principal qui s'appelle Guédadou. Quand il a été amené à Dakar pour apprendre euh, le Coran, il n'avait que 4 ans. Une chose odieuse. Une chose que je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que, comment se passe l'action Le papa qui doit dire à sa femme, ton fils va aller apprendre, il, le lui dit à 5 h du matin. Il réveille sa femme, tac, tac, tac, tac, j'amène Guédardo à Dakar. C'est monstrueux, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'une chose aussi importante comme cela on doit en discuter. Donc c'est quelque chose de, de mal. Et c'est ce que j'ai dit, ce, ce, père de famille est, aussi mauvais que quelqu'un qui fait un rap d'enfant. Ou bien quelqu'un qui viole un enfant. Parce que ce qu'il fait, c'est inhumain. Guédado arrive à Dakar, il devient un mania. Mais Guédado, c'est un garçon unique. Guédado ne se salit pas. Les autres talibés sont sales, lui, il n'est pas sale il a un cœur d'or. Vraiment, c'est un talibé, j'ai voulu le magnifier. J'ai voulu en faire quelque chose, euh, quelqu'un d'extraordinaire pour dire que dans la cité, il n'y a pas que du mauvais. Dans la cité, il n'y a pas que des ombres. Il y a des humains. La cité a une âme. Donc Guédado, c'était ça le projet. Et à la mort de Guédado maintenant, c'est là où on parle de révolution parce que la dépouille de Guédado a été utilisée pour scander son nom, aller vers le palais pour déloger le président. Donc c'est le côté révolution. Mais pas révolution euh, au sens euh, brusque, brutal. Non, non, non. C'est une révolution apaisée, c'est une révolution douce pour faire changer les choses. Guédaro dafa un talibé bu décrire ci un livre ma euh, Les ombres de la cité ou la révolution de Guédaro donc mu nekk talibé donc euh, mu permettre ma ma mun wax ci problème bu bandicité ndax dafa nek problème bo xamné ci bir askan bi dafa dafa bëri ngaañ dafa bëri problème donc Gaydar da do nek xalé bo xamné euh yalla moko may ndax ndax mom jang na alxuraan sans euh mun lire araf ci dégg rek la jangé alxuraan donc jang na té jangé wu ko ci sëriñam mais ci benen sëriñ la ko jangé oustaz Baro bi nga xamné mom euh, c'est vrai que euh, euh, grande mosquée de Dakar amul amul amul dara mais man dafa samp dara bo xamné ku bax mo fay jangalé et gédaru ci mom la jangé mu nek nak xalé bo xamné ne yàlla da may du tilim yalla dako may du sonn yalla dako may mom xol bu rafet ñaanal rek lay def nit te képp ku bu ñaanal ñaan da nga koy sentir ba sa bir xol donc ma defe ko nonu bindé ko nonu et malheureusement gédado carapide moo koy fël mu dé mais bi mu déwé fa la fa la gën am ñariñ parce que bi mu dee gune yu euh, euh, euh, Dakar dañu jël néewam utiliser ko pour dem palais pour Daniel président bi kooku mooy

Euh, boy wax euh, euh, réewum tax réewum tax dafa bëri lu lëndëm mais lima ci wax surtout c'est que moy ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi te kenn gisu leen te kenn faalewu leen te kenn boolewul leen ci dara moy takkandeer yooyu may wax muy takkandeer yooyu nekk taalibe yi mu nekk ñi nga xamné tay ji amuñu di wër di tàll seen loxo kenn faalewu leen kenn boolewuñ ci dara puune yi ñoom ñëpp képp kuy képp kuy sa kuy rek mun ci biir loolu nag mun nga xaaj yi mun mun na nag lafañ mun na nekk ku gumba mun na nekk ku lii mun na nekk mais aussi bi ci gën a bon mooy ñi nga xam ne ñi ngi yor seen ñaari tànk yor seen ñaari loxo di bëgg ñu yelwaat leen te ñooñ mën nañoo liggéey loolu tamit ngaañ la ci dëkk bi mu nekk loo xam ne dóorkatu marto yi dañ cee bari dañ cee bari nit ñëw ne la léegi-léegi dama amoon tey kuuru euh, arab fii waaye kama doon ñëw di jox si kuur dafa dem te moom moo daan jox paas ma ñibbi maa ngi dëkk Géejawaay wala maa ngi dëkk euh, euh, Rufisque wala maa ngi dëkk feneen damay saako rek nga jox ma paas ma ñibbee nga jox ko ko keneen ñëw mu wax la keneen nga ko mais deux jours après nga daje kooku mu waxaat la même film bi. xàmmeewu la ko xàmmeewu la moom du la xàmmee parce que li ma lay tin dafa bëri dóor yéen ñoo bëri ci dëkk bi te loolu i foog nit ñi taxaw ci man li ma koy wax toujours nee naa man munumaa sarax koo xam ne sama yaay moo la mag te sama yaay di ba léegi muy daan dooleem sarax koo xam ne yaak Ablaye Seydi yaa leen yem nga xamante yàlla da ko may ay loxoom mënu ci dara tànkam lay utiliser ordinateur tànkam lay utiliser pour dessiner donc muy la lafañ tuddee bopam handicapable di liggéey di ci jariñu donc suma ma kenen ku yor euh, euh, comment dire encore euh, pousse pousse wala len du ma sarax parce que man ablay Seydi ngi ni loolu nak parents lañ ci incombé parce que ñom ñu jël sen dom duggal len ñuy sarax ñuy saraxu

fi toog mën nañ ko def léegi nag zone d'ombre yooyu dem ba léeg-léeg société bi sax si beneen gak gak, muy gàllankoor gàllankoor bu, fekkee ne yar daf si bokk wala manam utum xam-xam bu ñaw jële ko si téere yu sell yi wala si fi ñuy wax école française wala franco arab.

parce que ñi fi nekk ci doomu Les enfants fi ñoo bari ñiy euh, école primaire jaar collège ñëw lycée dañoo sakkan et comme je l'ai dit tantôt dans chaque quartier y a une école dans chaque quartier y a une école bu vous avez une bonne bu mënee am ñaar na am ñaar parce que ça dépend de la taille dafa dépend dépendre ci euh, euh, quartier bi nu mu toll nu mu amee solo waaw waaw xam nga ñooñu par exemple war am école te mu naan école école yi am solo xam ne xale yi duñ nekk foofu ay cent ci benn ci benn ci benn salle parce bu ñu bëggee jàng jàng bu sell nañ toog trente trente cinq quarante maximum ñu mën a jàng jàng bu sell donc loolu ça loolu loolu lu muy indi investissement ni ñuy investir ci tali yi autoroute yi ak ak pont yi mu nañ ci investir noonu aussi ci école yi embaucher ay enseignants ñuy jàngale donc on la main d'œuvre ña koy tabax ña fay jàngale xale yi aussi mën a jàng jàng bu sell. mais dans le wax éducation je le dis souvent la majeure partie des sénégalais qui voyagent dans de mauvaises conditions dem pour Yakarni font des gën ragal ragal de lu lu def. ragal la wala yaakaar. choses un man exemple man premier c'est entreprise

la majeure partie amuñu métier ni daw yëpp la majeure partie jànguñu la majeure partie amuñu métier néew ma amna am na ñoo xam ne ñu nga fa jàng am ñu am ay mais je dis la majeure partie la wax et lolo, ça dit qu'il que il faut que les gens comprennent que une société ñoo ko war une société ñoo ko war Ça dit que sous dire société ñun chaque élément ak ni ci euh, euh, a war participer te loolu nag gëm yàlla foofu lay commencer parce que yàlla moo lay may

mais ligue bi def ligue bu am solo la tey ji fruit ku ko Sénégal sa mbok guiné suñu mbok guiné ñol ñol ko jaay Sénégal nanguñu ko def amna fi ligue yu metti yo xam ne nanguñu ko def sauf suñu mbok séréri yi suñu mbokk séeréer de plus en plus ñu ngi jël place wu suñu mbok guiné pousse pousse yeeg raxas oté yëpp mbok séréri la mais nag fofu ngañ bi nak moy dañu baye tol bi dañu baye all bi gis naa saa waaye di ree léegi deug la bayeetuñu dugub dugub dugub séréri ko mom

mu doon professeur Mamadou Koulibaly tey ñëpp Salma lu ñu doon wax ay élèves am ñoo fi nekkoon ay ñu mu voilà ñu mu jàngale doon. effectivement donc ñu mel noonu ñoo raar léegi ci ñiy jàngale suñu école yi il faut que ñu former waat ay ay jangal ay jàngalekat jàngalekat bu njëkkaan wee képp koo xam ne amoon nga jàngalekat bu ñëw bëgg sa doom da nga ciy fier. mais tey jii dematul noonu da ngay gis sa jàngkat boo xam ne élèves yi mu koy jàngal sax moo gën a portable jangale kat euh, féetal ko ku nay féetal ko ku ndóol et c'est extraordinaire ki wara a sa dom sa dom sa mo koy gën demin mais problème est-ce état bi la wala mom la combien de fonctionnaires sont dans l'état yu liguey et jangale kat ils sont bien payés par rapport à certains fonctionnaires mais pourtant on les classe parmi les plus ñi nga xamné ñom ñoo nay c'est dommage mais dañ koy wax enseignant dafa nay ñepp ah, ñëpp koy wax deug la du deug mais ñu koy wax mais il faut que nous formions des enseignants qui ont am capacité am responsabilité am amour pour jàngal des mais pas des enseignants pour parce que da a une solution on dit une solution parce que lu sérieux la gens nit ñoo fi jàng waroon nous def ji ko def fu ñu dans l'enseignement alors que bu njëkkaan enseignement ci les meilleurs administration enseignement lañ dans piocher nit ñu bax ñu yóbbu la ñu defe ci politique ñu doon après ay responsable mais tay néew na. professeur Ibrahima enseignant ouais. maître Abdoulaye Wade ñu jàngale fi 1947. macha allah macha allah. donc xam nga donc donc li ma lekk xam ko kon leer na. <laughs> donc professeur Coulibaly daal bokk na ci enseignant yi nga xam ne moom lañu. bu baax a baax. et mom à travers lui tay dama ko fatone wax. Non, non non Mamadou Koulibaly man dama ko parce que daf ma daf ma daf ma tout le temps mais ko que damay malheureusement daf que je bi ci mu mais suis un dañ ko parce que je français. collège ay ay jours. donc ñooñu ne tey j'ai l'impression que c'est plus l'argent qu'ils cherchent moo tax grève yu bëri sax d'ailleurs parce que amour bi amour parce que amour bi amour bi newu fa non ay avenir xalé lañuy la té yàq te moma ci metti ay avenir xalé lañuy la xalé yi waroon jang duñ jang xalé yi waroon xam duñu xam ñu gënël na xalé bañu bañ a def métier. Euh, démission bi aussi dafa melni ni si si euh, coppite familiale bi la tàmbali. non. bu ma bu ma la ne wax naa ko sànq ci français papa ju yeewu à 5 du matin du gis ay doomam mu xëy dem mu wàcc du gis ay doomam kooku naka lay mun a naka lay mun a yare ay doomam bon même bu fekkee loolu amoon na mu am soxna soo xam ne moo ne kër ga di yar xale yi ñoo ne sax baax na mais soxna yi aussi léegi dañuy dem jàppale seen boroom kër dañuy gën wuti ñoom it léegi kan mooy téye xale yi comme ni ñu koy wax souvent euh, mbindaan moo leen di yar.

commencé jooy fii wooyu man damaa sonn xale yi bëgg a ñëw fii ak seen wax ju bari non say doom lañu buñ la ñëwul jege la yow kan la ñuy jege bi la ñëwul laaj yow kan la ñuy laaj sunu société bi loolu lay c'est-à-dire que sunu société bi moom mu am démarcation bu njëkkaan da ngay am doom mais waa waa koñ bi ba ko yar am doom nga dëkk ci famille élargie famille bu mag say frère nekk fa say sœur nekk fa sa papa nekk fa donc yaru maam ñëpp ñu boole ko mais léegi da am say doom yóbbu leen ci appartement loo ci mujj gis gis na karo appartement yi ni ñuy woowee ñu ciy daanu muy dëgg seen xol yi noonu lay woowee doo am ay doomu aadama xale yi léegi un ñu génne la paaga parce que ci yar bi la loolu lañ xam kenn yarul leen day leen bàyyi ak seen sago et ma ci gën a metti xam nga lan la léegi les parents dañuy yaakaar ni ñëw nag jël xale bi may ko kado loolu mooy rek régler affaire bi neexal boobu noonu moo leen di gën a rey ndax cadeau bu mu ko jox amul benn njariñ yaral sa doom mu ëpp solo nañ yar xale yi bu ñu bëggee ñu tekki nañ yar xale yi bu ñu bëgg am ay citoyen suba bu ñu bëgg am ay njiit yu baax yoo xam ne kenn du leen critiquer man je le répète et je le répète encore gis nga fu mu nekk nii euh, génération bi ñu yor nii ñuy ay kii gis nga boo jëlee le pouvoir socialiste nga avancé ak moom nga nga nga wàcc jël le pouvoir euh, euh, comment dire encore démocratique ak fi ñu jaar ak waa Wade nga ñëw ak fi ñu jaar ak Macky da gis nii dañoo wàcc suñu ànd yàgg na. léegi nag ay génération lañ perte génération yi ñu perte kenn mënatu leen defar dañ leen bàyyi ñu dem mais maintenant nañ xool naka la ñuy defaraatee génération yi ci topp naka lañ leen di former naka lañ leen di tàggaatee jox leen ay valeur ñu xam ni ñoom li ñuy xam ne dañuy wut ci moom li li li li li li li ñu bëgg a def ci ñoom ñu def ko ba xale yi nàmpatal ko ñu womat leen ñu nekk ay bon citoyens ñu loolu lañ soxla tey jii. est-ce que kon euh, parce que. man ci loolu taxaw. Euh, li mooy xalima

maintenant xale yooyu bu ñu màggee ñun li bind dañ koy dañ koy man maa commencé bind ci ki et je le demande je l'ai demandé à beaucoup d'amis écrivains nañ bind pour xalé yi j'ai sorti un conte qui s'appelle le bracelet arc-en-ciel wutna amna ko ko mën dessiner def ko animation mais dafa cher mané na reculer daa ko ne sama ça dit que man yàkkamtiwu ma man dama bëgg a def euh, euh, euh, émission télé dama bëgg def cinéma dama bëgg def animation j'ai pas encore les moyens

et quand on fait ko animation ça dit que jori amna naa lu may jox suñu dom suñu culture la di jox parce que lépp dafa warul dañ ñun ñun lepp yar ñun sont xamal lu bari ci adina xalé amatu ñu lepp li donc il faut que bind des choses yo ça intéresse les enfants il faut que ñu bind lo xamné xalé yi dañ koy namp dañuy mom donc suñuy suñuy suñuy yu baax suñuy valeur ak yeneen xale bi lan la war a bañ a def xale bi lan la war a def ci yooyu lañ koy dugaale lu mu war a jom Kassak dañ ko war a indiwaat man ci sama xel moom maa ngi fii buntu musée bii ñu organiser fi ay kasab kasak annuel képp koo xam ne xarafal nga sa doom nga indi ko ñu def ay manifestation xale yi xam la mooy Kassak xam esprit Kassak xam seen culture ñu yar leen lël yi ñu def Casamance pour lan la du loolu la. ñun mën nañ ko am fii donc au lieu que nit ñi di téye seen doom chaque guddi bu fekkee par exemple dans la région de Thiès yaa am na am nañu euh, fukki xale yu xalafal ñu dem jëli ji am na mag ñu fi nekk ba léegi de dem jëli ji mag ñi nga xam ne mën nañoo kasak ñu jël leen indi leen ñu kasagal ñu ñooñu former seen i doom parce que Sénégal noonu la daan doxee ku ne da ngay former sa doom ci la mu nekk ci ñu ràññee ko ci buñ dara amee ñu ko. sang sang rin mi ngi nii fa la jóge du seen bay wate mi ngi law. yu mel noonu dafa am solo ñu koy pratiquer